Nous sommes venus aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre cette pandémie que vous connaissez tous, qui est le coronavirus. Et on est venu aujourd'hui à la gouvernance de manière solennelle remettre donc euh, des dons euh, au comité régional euh, de gestion des épidémies, présidé par le gouverneur de la région de Kaolac. Et comme vous le savez, nous sommes toujours en phase d'accord dans ces genres d'action avec euh, notre jeune frère Dorogaï qui à chaque fois que le besoin est là dans le cadre donc, des actions sociales, il ne tarde pas à réagir. C'est la raison pour laquelle il est venu aujourd'hui remettre d'accord ces, ces dons-là au comité régional pour la lutte contre cette pandémie et profiter aussi de cette occasion pour euh, faire un appel, lancer un appel à l'endroit des fils de Kaolak, à, l'image d'accord de Dorogay, de faire euh, ces genres d'action qui aujourd'hui est devenu une nécessité parce que comme vous le savez, c'est une situation et vu l'ampleur même d'accord de cette, euh, de cette euh, maladie, aujourd'hui, tous les euh, fils de Kaolack doivent aujourd'hui euh, euh, répondre à l'appel du gouverneur dans le comité régional donc, de lutte contre cette maladie-là, de venir en aide donc, au comité. Et la particularité aujourd'hui à Kaolak, comme vous le savez, Kaolak est une ville carrefour. Et la lutte donc, de cette maladie demande et nécessite beaucoup de mesures d'urgence que nous devons prendre en compte pour faire face à cette à, donc à, la propagation d'accord de cette, de cette maladie-là. Donc c'est dans ce sillage-là que nous sommes venus remettre d'accord ces dons-là en, donc, euh, en, quantité vraiment très importante, donc de gel alcoolique, donc des gants, des masques qui aujourd'hui vont faciliter un peu aux médecins qui, sont, euh, qui prennent en charge en quelque sorte donc ces euh, personnes suspectes ou bien ces des personnes qui, qui portent en quelque sorte donc, le virus, de prendre bien en charge ces, personnes-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui remettre de manière solennelle euh, devant le gouverneur donc, ces, ces dons-là. La première étape, donc, c'est aujourd'hui à la gouvernance, remettre donc, au comité régional donc, de gestion des épidémies. Mais la deuxième étape, sera vraiment d'aller vers donc, des foyers religieux au niveau des quartiers, sensibiliser et aussi remettre d'accord des donc, comme ces dons-là au niveau de la population. xanaa ñëw fi nag ci ndigalal doomi Kaolack ñu koy wax Doro Gaye di xale bu yàlla baaxal mu déglu nag appelu président de la république ci xeex bu réy bi nga xam ni ñun ñëpp danoo war a takku xeex ko corona bi nga xam virus la guy ma dellu ci biir réew mi dégg ni mi ngi ci Sénégal mu jël nag ay jumtukaay. yu tàmbalee ci ay gel yoo xam ni gel hydratant mi ngi ni taxaw ak ay masque ak yeneen i produits indi ko teg ko ci loxo monsieur le gouverneur de la région de Kaolack di nit ku yàlla baaxal koo xam ni moom itam moo jiite comité bi nga xam ni mooy xeex ak virus boobu mu jublu ci rek fa tabaarakallaahu teg ko ci ay loxoom di ko ñaan mu teg ko ci loxo comité bi nga xam ni mooy comité de santé bi di xeex-xeex bu réy boobu fa tabaarakallaahu jublu ci nag ñu taxaw nag askan wi nga xam ne ay bokkam lañu ay ndeyam ay baayam ay rakkam ay doomam ak jarbaatam ñu àndandoo ñun ñëpp jàpp ci ngir fa tabaarakallaahu musib bi bii di wëndeelu ci réew mi yàlla jëlee ko fi di appel boo xam ne nag mi ngi koy lancé waaye di ko lancé itam ci doomi Kaolack yi nga xam ne dafa bokk ak ñoom juddu bokk ak ñoom dëkk bi bokk ak ñoom réew mi président de la république wàcc na ndax xeex bi ci boppam da ko yaatal kenn ku nekk la nga man ak na nga ko mane waaye nga def ko it fa a yóbboo

Euh, qui est en train de jouer sa partition dans le cadre de, la lutte contre le coronavirus. Euh, il s'agit de M. Dorogay, comme on l'a dit. Euh, M. Dorogay fait partie des premiers donateurs dans le cadre de cette lutte au niveau du comité régional de gestion des épidémies. Euh, c'est le geste qui est très important, au-delà même du matériel offert. je crois que euh, si tout le monde fait comme lui, euh, d'ici quelques jours, on aura suffisamment de matériel, suffisamment de kits d'hygiène, suffisamment de kits de prévention pour lutter suffisamment, en tout cas, contre euh, cette pandémie-là. Euh, il ne me reste qu'à le remercier au nom de Monsieur le Président de la République, euh, vraiment pour ce geste très symbolique, mais pour ce geste aussi utile qui, j'en suis sûr, permettra donc de sauver beaucoup de vies dans le cadre de la prévention.